Thank you. bonsoir. Euh, toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard à à la diffusion de cette édition de 20h, dont voici les titres. Programme spécial de rénovation des sites religieux. La grande mosquée de Pékin sera reconstruite à hauteur de 600 millions de francs CFA. Elle sera bâtie sur une surface de plus de 1700 mètres carrés et pourrait accueillir 2500 personnes. Baisse du budget du ministère de l'Industrie et des Mines, près de 5 milliards, dû à la réalisation du parc industriel de Diamniadio, qui est à sa phase finale. Le budget du ministère du Renouveau urbain, pour sa part, est en hausse, en bon de plus de 49 milliards. Les adieux du général Mahmoud Sow, après 39 ans de service, dont 4 à la tête de la Grande Mouillette, l'ex-chef d'état-major général des forces armées quitte l'institution militaire. Avec tous les honneurs, il passera le témoin vendredi à son successeur. Melon d'eau, Oural en Wolof, antioxydant préventif contre certains cancers de la prostate notamment, et des maladies cardiovasculaires. Euh, la pastèque qui est au menu ce soir, riche en fibres qui permettent de réguler le transit et faciliter la digestion, que de bons points dans la rubrique santé, tout sur les vertus de ce fruit de saison plein de nutriments et qui nourrit son homme. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République, au Martiawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 30 novembre 2016 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour de la gouvernance et de la coordination des programmes de développement territorial, le chef de l'État rappelle au gouvernement l'importance primordiale qu'il accorde au développement durable et équitable des territoires. En effet, en vue d'améliorer de manière notable l'équipement des localités, le bien-être des populations et bâtir le Sénégal urbain du futur, le président de la République a initié dans la dynamique des conseils des ministres délocalisés de nouveaux programmes innovants et performants et engagé l'aménagement et le développement de nouveaux pôles urbains, universitaires et touristiques. Dès lors, le chef de l'État demande au Premier ministre, dans une logique de consolidation de l'attractivité durable du territoire, de mettre en place un cadre interministériel de gouvernance et de coordination des programmes de développement territorial notamment le PUDC, les Promovilles, le Puma, les projets urbains des collectivités territoriales et des agences de développement. En outre, le président de la République indique au gouvernement la nécessité de doter les pôles urbains de Yamniadio et du Lac Rose d'un statut spécial qui intègre leur mode d'organisation et de fonctionnement ainsi que leur régime financier sur la base d'un cadre législatif et réglementaire adéquat rappelant par ailleurs ces directives relatives à l'urgence de déployer des mesures concertées pour un aménagement préventif optimal du littoral national, le chef de l'État demande au gouvernement d'examiner les modalités d'aménagement et d'exploitation de la Grande Côte de Dakar à Saint-Louis en vue de valoriser davantage les zones côtières concernées. Il a en outre exigé du gouvernement l'élaboration d'un plan rigoureux et cohérent de protection du littoral national en général et de la Grande Côte en particulier. À ce sujet, le président de la République demande également au Premier ministre de lui faire un rapport circonstancié sur la situation foncière et immobilière le long de la bande des Filao, qui fait l'objet d'une grande convoitise suite à la réalisation de la nouvelle voie de dégagement nord VDN. Abordant l'amélioration du fonctionnement des structures sanitaires et l'accès des populations à des soins de qualité, le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'accélérer la mise en place des services d'accueil et d'urgence SAU dans les établissements publics de santé et de procéder à l'actualisation de la tarification officielle des consultations et services offerts par les structures sanitaires publiques et privées. En outre, le président de la République invite le gouvernement à examiner, en rapport avec tous les acteurs concernés, les modalités pratiques de la mise à, disposition de plateaux techniques standards à la mise à disposition donc de plateaux techniques de standard international au niveau des structures hospitalières à mettre en œuvre un plan de redéploiement de médecins généralistes et spécialistes dans toutes les régions du pays. Par ailleurs, le chef de l'État indique au gouvernement l'impératif d'accorder une attention particulière au secteur de la pharmacie en veillant à l'amélioration des conditions de sécurité des officines et à l'interdiction stricte de la vente illicite de médicaments de la rue. Concluant sur ce point, le président de la République invite le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un mécanisme national de régulation des services de santé en vue d'un meilleur contrôle technique et d'une évaluation permanente de la qualité des soins de santé offerts aux usagers. Appréciant par ailleurs les réalisations remarquables en matière d'énergie renouvelable, notamment dans les deux centrales solaires à Bohol et Malikunda, et les quatre autres prévues pour 2017 à Taïbanyai, Merina Mewan et le chef de l'État exhorte le gouvernement à promouvoir l'autonomisation électrique des structures et édifices publics par le recours progressif aux énergies renouvelables, en particulier le solaire. Le gouvernement devra également, en relation avec les collectivités territoriales et Sénélec, intensifier la mise en œuvre du programme national d'éclairage public par le solaire. Ces efforts doivent être poursuivis pour assurer, dans un avenir rapproché, la résilience de notre pays dans le secteur de l'électricité. Poursuivant sa communication autour du développement de la formation continue des agents de l'État, un pilier de la modernisation de l'administration, le président de la République demande au Premier ministre de lui faire le point de toutes les ressources budgétaires mobilisées dans ce cadre par l'État et ses partenaires et de lui soumettre avant la fin de l'année 2016 un programme national de formation permanente des agents de l'État à partir des propositions de chaque département ministériel. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation au 16e sommet de la francophonie à Antananarive, à, Antananarive, à Madagascar. Le Premier ministre a axé sa communication sur les activités gouvernementales en mettant l'accent entre autres sur sa participation au quatrième sommet Afrique-Monde arabe de Malabo. Le conseil interministériel qu'il a présidé sur la préparation de la campagne de commercialisation de l'arachide et enfin sur l'organisation du Forum mondial de l'eau à Dakar. Il a ensuite rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point sur l'actualité africaine et internationale il a aussi rendu compte au Conseil de la conduite de la présidence du Conseil de sécurité qui est assurée par le Sénégal pour tout le courant du mois de novembre. Appréciant le travail remarquable au nom du pays, le chef de l'État a félicité le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, l'ambassadeur représentant du Sénégal, ainsi que tous les diplomates et le personnel de la représentation permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne agricole 2016-2017 et de la préparation de la campagne de commercialisation arachidière qui démarre le 1er décembre 2016 avec un prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs CFA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté au Conseil une communication sur le rôle de la science et de la technologie nucléaire dans les différents secteurs de développement. Le ministre des Postes et des Télécommunications a présenté au Conseil une note d'information sur la stratégie Sénégal numérique 2025 dont la mise en œuvre va être engagée autour de 28 réformes du secteur et 69 projets pour un montant global de 362 milliards. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait au Conseil le point sur les opérations de délivrance des cartes d'identité nationale et de révision exceptionnelle des listes électorales. Il a rassuré le Conseil sur la mobilisation et l'accroissement des ressources disponibles pour faciliter le déroulement de l'ensemble des opérations dans de bonnes conditions. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications, le projet de décret relatif au partage d'infrastructures de télécommunications, le projet de décret relatif aux modalités d'attribution de l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Madame Safie Tungay, ancien ministre, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, en remplacement de Monsieur Momar Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Malik administrateur civil, matricule de solde 616-289H, précédemment directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est nommé secrétaire général du dit ministère en remplacement de M. Ibrahim Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Moussalo, professeur titulaire en informatique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, matricule de solde 607-883E, est nommé coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal, UVS, en, remplacement de M. Mohamedou Mansour Faye, appelé à d'autres fonctions. M. Babacar Gueye, professeur titulaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 385-304G, précédemment directeur des affaires académiques et juridiques à la Direction générale de l'enseignement supérieur, est nommé directeur général de l'enseignement supérieur en remplacement de M. Mamadou Sangaré, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Amadou Tchernogueï, professeur titulaire en physique de l'atmosphère, matricule de sol de 102-530A, précédemment directeur de l'École supérieure polytechnique de l'Université Anta Diop de Dakar, et nommé directeur général de la recherche en remplacement de M. Cher Gay, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Aminata Ndiaye, professeur titulaire climatologue, matricule de sol de 385-304G, précédemment chef de département de géographie de l'université Cheikh Diop de Dakar, et nommé directeur des affaires académiques et juridiques à la direction générale de l'enseignement supérieur en remplacement de M. Babacar Gay, appelé à d'autres fonctions. M. Oumar Nyan, professeur assimilé en sciences informatiques à l'école polytechnique de Thiès, matricule de solde numéro 104-215A, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Djamniadjou. Madame Fatoumata Anne, maître de conférence en anthropologie sociale et culturelle à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, matricule de solde 174-148G, est nommée directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bingona. Madame Awanyan, professeure titulaire en électronique à l'École supérieure polytechnique de l'Université Anta Diop de Dakar, matricule de sol de 103 128 C, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Richard Toll. Madame Aminata Diassé, professeure titulaire de chimie minérale et analytique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, matricule de sol de 101 527H, est nommée directeur de l'Institut supérieur professionnel de Matam. Monsieur Cherlo, inspecteur des impôts et domaines, il est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales, CRUS de Bombay. Monsieur Moustapha Gay, juriste expert, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales CRUS de Thiès. Monsieur Mamadou Djombera, maître de conférence en aménagement et gestion touristique à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales CRUS de Ziguinchor. Monsieur Moussa Sen, titulaire d'un DESS en gestion des programmes de santé, matricule de solde 513 935D, précédemment chef du service administratif et financier du Centre hospitalier national Matlaboul Fawzeini de Touba, est nommé directeur de l'établissement public de santé niveau 1 de Richard Toll, en remplacement de M. Amadou Bahaoudiaou, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mustafa Khan, juriste, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, Azepex en remplacement de Madame Mariba. Et enfin, M. Abdoulaye Sen, maître de conférence à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université Anta Diop de Dakar, ISE UCAD est nommé président du conseil d'administration de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANACSUP, pour un mandat de trois ans. C'est signé le ministre secrétaire général du gouvernement. Merci Omar pour la lecture euh, de ce communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. À travers son programme spécial destiné aux sites religieux, le président de la République va débloquer 600 millions de francs CFA pour la rénovation de la grande mosquée de Pékin, une vieille doléance de la Fédération des imams et oulémas de la ville. Les architectes ont présenté au comité de gestion de la mosquée les plans de la nouvelle infrastructure. Les travaux devraient démarrer incessamment à Khan. C'est l'une des plus vieilles mosquées du département de Pékin. Sa construction remonte au temps des colons dans les années 50. Aujourd'hui, sous le poids de l'âge, la grande mosquée de Pékin a besoin d'être rénovée. Une vieille doléance du comité de gestion de la mosquée que le chef de l'État compte satisfaire à travers son programme spécial des sites religieux. je suis tellement ému que j'ai du mal à m'exprimer sur la question parce que c'est un grand bébé pour moi, c'est un bébé que j'ai porté personnellement avec l'ensemble des membres du comité de gestion pendant plus de dix ans, sans espoir de voir un jour se réaliser ce projet. Et voilà que le président de la République est en train de le prendre en charge. Et, aujourd'hui, on a une satisfaction qu'on ne peut même pas exprimer. Il s'agit d'un projet de transformation et d'extension en présence des autorités politiques de la ville les responsables du Bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux présentent le projet au comité de gestion. La nouvelle mosquée sera bâtie sur une surface de 1719 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 2500 personnes. Il est également prévu la construction d'une salle de prière de 450 places pour les femmes, une bibliothèque et un local pour les imams. Le coût estimé du projet tourne autour de 600 millions de francs CFA, les imams et oulémas, chefs religieux et notables qui en avaient formulé la demande, saluent également l'engagement du président Macky Sall de rénover cette mosquée, patrimoine de la ville de Pékin. Le général euh, Mohamed Sow fait ses adieux. Le désormais ex-chef d'état-major général des armées la Grande Muette avec les honneurs après 39 ans de service. Il a euh, passé 4 ans à la tête de l'institution militaire. Anaïs Nyanyamani euh, nous parle de cette cérémonie d'adieu. Les forces armées ont rendu les honneurs au général Momodou Sow. Nommé chef d'état-major général des armées depuis 2012, le SEMGA Sow a passé 4 années à la tête des armées. Aujourd'hui, il dit adieu à ce corps où il a vécu 39 longues années. La grâce au Créateur qui m'a permis non seulement de naître, mais de, joindre l'armée et de terminer au sommet des armées. Euh, également une pensée pieuse à, mes deux faux parents, à mon épouse qui m'a coûté en 2015, mais également un sentiment de fierté pour euh, ce que nous avons fait ensemble. Durant ces années au service de la défense nationale, le général Mamadou Sow peut se glorifier d'un bilan satisfaisant. L'armée, c'est une institution qui doit s'adapter aux défis nouveaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, le terrorisme et les actes euh, de grand banditisme sont là. C'est tout au quotidien des Sénégalais. Et ceux qui ont la, la responsabilité d'assurer la sécurité et la quiétude des populations doivent toujours s'adapter à ces nouvelles formes euh, donc, de menaces et de risques. C'est ça le défi. Et ces défis, on ne peut pas les résoudre une fois pour toutes. C'est quelque chose d'évolutif, donc il faudrait s'ajuster et s'adapter à tout moment. et je suis persuadé que l'équipe que je laisse derrière moi est en mesure, en tout cas, de procéder à ces changements d'attitude. Un bilan élogieux, salué par le ministre des Forces armées. Mon général, vous avez consacré toute votre énergie à consolider les acquis et à préparer l'avenir afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation de notre territoire et de nos populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde. Cette ambition a guidé la mise en œuvre de la vision stratégique que vous décliniez déjà dans votre ordre du jour numéro 1 et qui a trouvé son aboutissement dans l'élaboration du projet Format Armée 2025. Ce projet structurant que vous avez personnellement porté devant le chef de l'État contient les principes et les orientations majeures qui démontrent votre parfaite connaissance des leviers à activer pour assurer l'efficacité opérationnelle de notre outil de défense, à savoir l'homme, les réformes organisationnelles et l'acquisition d'équipements. Après un long parcours qui l'a amené à la tête de toutes les armées, le général Mamadou Sow quitte définitivement la tête de cette structure en laissant derrière lui une armée forte et résistante. Pour rappel, le général d'armée Mamadou Sow est le premier patron de l'armée sénégalaise, issu de l'École nationale des officiers d'active ENOA et de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA. Il sera remplacé par le général Cherguey qui sera installé le 2 décembre prochain. L'histoire le retiendra comme étant le tout premier général d'armée du Sénégal, le SEMGA, Mamadou Sow, quitte l'institution militaire au terme d'une carrière remplie, celui dont l'œuvre à satisfaire au plus haut niveau de l'État restera un symbole pour ses frères d'armes. C'est un commentaire signé Ousmane Garifay. Il aura maintenu intact jusqu'au bout du service la garde de l'honneur et de la dignité militaire. Mais à compter du 31 décembre 2016, le général est officiellement au repos. Remercier le président de la République de la confiance et surtout du soutien, parce que les armées, quand même, il est incontestable qu'on fait un bon assez ah, important. En bouclant 60 ans de sa vie, le soldat totalise exactement 39 ans, 2 mois et 7 jours de service militaire. Derrière lui laisse un parcours exceptionnel engagé. Le 24 octobre 1977, comme sous-officier depuis, le soldat a gravi tous les échelons au sein de sa corporation. Général de brigade le 1er juillet 2012, il est promu divisionnaire le 21 octobre de la même année, avant de devenir général de corps d'armée le 1er juillet 2013. Cet avril 2016, il boucle la boucle avec le grade de général d'armée, une première dans l'histoire du pays, un titre auquel aucun officier n'a accédé depuis 1960. Quand il tire sa révérence fort de cette carrière aussi remplie qu'élogieuse, c'est sans doute le sentiment du devoir accompli qui résiste à l'émotion de devoir quitter cette armée et ce commandement pour lesquels il restera un marqueur historique. Un sentiment de grâce et de fierté. Grâce, il faut rendre grâce au Seigneur qui est le maître de notre destins qui m'a tracé donc cette trajectoire pour terminer au sommet de la hiérarchie militaire et également de fierté pour avoir été choisi parmi mes pères. Et au moment de partir, je peux regarder mes camarades en face et dire qu'en tout cas, j'ai essayé et j'ai fait quelque chose. Soldat intransigeant, sentinelle de valeurs militaires, l'histoire l'a déjà rangé dans la catégorie des officiers d'exception. La rançon de la gloire donc pour celui qui laisse derrière lui une armée rénovée qui renoue avec les équipements militaires et les politiques de renforcement des capacités. À la tête du commandement, à partir de 2012, il fit de la modernisation de l'équipement, du social et de l'opérationnalisation des troupes un impératif catégorique avec en toile de fond ce souci permanent de bâtir une armée aux capacités de redéploiement d'un niveau jamais atteint dans le pays. L'objectif pour le général Sow était d'inscrire l'armée sénégalaise sur les standards de performance pour lui permettre d'assurer d'assumer sa mission de défense et de sécurisation dans un contexte mondial et sous-régional d'insécurité grandissante. D'où le satisfait quasi permanent du chef suprême qui ne manque jamais l'occasion de témoigner reconnaissance et satisfaction aux soldats. Général d'armée Momodou Sow, vous êtes un soldat dans l'âme, doté de hautes valeurs morales et militaires. Entre autres qualités notées, je voudrais citer votre engagement, votre loyauté et votre sens des responsabilités. Général d'armée Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, par votre saine gestion des ressources, grâce à l'importance que vous accordez à l'entraînement, vous avez véritablement relever le moral et les capacités opérationnelles de l'armée nationale. Mettre l'argent exactement là où il le fallait, cette éthique du management est devenue une prouesse difficile à réaliser sous les tropiques. Et pourtant, au Sénégal, le général l'a fait. Ce qui lui aménage une place dans le panthéon des hommes intègres qui jalonnent l'histoire militaire du pays. Mais au-delà de la grande miette, c'est aujourd'hui tout un peuple qui se met à son tour au garde à vous pour ce chevalier qui n'a jamais sonné du corps dans l'exercice de la mission à lui assignée par le premier des citoyens. Le général parle, le général arrive. Mon successeur, il a participé activement à tout ce que nous avons fait ces quatre dernières années. Il a été le chef d'état-major de l'armée de terre, donc responsable de l'instruction et de l'entraînement de nos troupes. Mais également, euh, euh, il, quitte le poste de chef d'état-major euh, particulier de M. le Président de la République, donc au cœur des grands dossiers militaires pour aller à la station de chef d'état-major. Je pense qu'il a tous les atouts, en tout cas, entre ses mains pour vraiment faire un excellent commandement que je lui souhaite. C'était un commentaire de Ousmane Nous reparlons du sixième e sommet de la francophonie sous, notre angle. Les premières dames présentes à Antananarive ont pris l'engagement de renforcer la lutte euh, qu'elles mènent contre la mortalité maternelle. Elles l'ont réaffirmé lors d'un déjeuner offert par la première dame de Madagascar, Daraba. L'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de vaccination après Dakar en 2014, qui a vu le lancement officiel de ses activités, a profité du sommet de Madagascar pour des retrouvailles entre premières dames présentes à Tananarive. Un déjeuner offert par la première dame de Madagascar qui a encore attiré l'attention sur l'urgence des défis de la santé maternelle et infantile face à la faiblesse des systèmes de santé dans certains pays. Le ratio de mortalité maternelle est de 478 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012, 489 pour 100 000 en 2009. Autrement dit, chaque jour, 10 femmes malgaches meurent suite aux complications de la grossesse L'objectif n'est pas de développer des stratégies nouvelles, mais d'assurer la coordination et la mise en œuvre effective des stratégies et des plans existants. Le bureau de l'UNFPI à Madagascar a cette occasion renouvelé son partenariat pour plus d'équité dans l'accès aux soins de santé. Et encore, tant qu'il y a une femme qui souffre, le travail n'est pas fini. Tant qu'il y a une femme qui a une le travail n'est pas fini tant qu'une femme pas Donc, ensemble, avec tous les partenaires, l'OMS, l'USAID, l'UNICEF, les autres qui le souhaitent, doivent accompagner cette action-là pour que le ministère de la Santé ait les moyens pour faire en sorte qu'aucune femme dans ce pays ne meure en accouchant ou ne développe une maladie des l'accouchement. La première dame du Tchad a partagé l'expérience de son pays avec des crédits octroyés aux femmes les plus régulières dans le suivi de leur santé un modèle qui a porté ses fruits que l'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de vaccination va prendre en compte dans son plaidoyer sur le partage d'informations et la coordination des campagnes de sensibilisation, surtout en matière de suivi de la santé de la reproduction. Le budget 2017 du ministère de l'Industrie et des Mines revu à la baisse 4 milliards 366 millions euh, contre euh, plus de 9 milliards en 2016, baisse qui s'explique par la fin des travaux euh, du parc industriel de Diamniadio. Les députés ont à l'occasion posé des questions notamment sur les préoccupations des populations rurales concernant la gestion des ressources minières, phénomène Constance Gagne. La lecture du projet du budget du ministère de l'Industrie et des Mines a révélé la baisse du montant alloué en 2016 de plus de 4 milliards, situation qui trouve motif dans la réalisation du parc industriel de Djamniadjo qui est dans sa phase finale. Le président de la République avait décidé, dès la loi de finances rectificative de 2014, d'accompagner significativement le projet de pôle intégré de Djamniadjo. Et depuis lors, et le ministre l'a réaffirmé, 25 milliards ont été injectés dans le secteur dans le cadre de la première phase. Cette phase est presque en finition. Pour ne pas me répéter, on est en train de la finaliser. Donc, nul besoin d'y mettre des ressources pendant qu'on demande d'accompagner la santé ou l'éducation. Voilà les raisons pour lesquelles les ressources ont diminué au niveau de ce département de près de 4 milliards. Au-delà de cette baisse déplorée par l'Assemblée, les élus du peuple ont souligné quelques préoccupations dans les secteurs en question, surtout l'industrie qui tarde à se développer malgré les efforts consentis par le gouvernement. Nous savons aujourd'hui que même dans le nucléaire civil, le zircon joue un rôle extrêmement important. Nous savons que dans l'industrie aéronautique, l'industrie militaire, et même aujourd'hui dans la préservation des sites contre les risques nucléaires, les calottes qui servent à la protection comme à Tchernobyl utilisent beaucoup le zircon. Il ne faut plus que nous nous contentions de retombées financières, retombées économiques, etc. Sachant qu'aujourd'hui l'Afrique importe plus de 30 millions de dollars de produits transformés, si aujourd'hui on arrive à installer des PME, PMI qui, entrent dans, qui entrent dans le cadre de la transformation, nous allons créer plus de 5 millions d'emplois directs en Afrique. Ça veut dire que la transformation, comme l'honorable député Ablaï Martueur Diop a dit, nous ne pouvons pas seulement nous suffire aujourd'hui de dire qu'on va extraire des minerais, qu'on va extraire, mais il faut une chaîne d'industrie, de transformation, et on a besoin que, le ministère des Mines ait quand même les ressources nécessaires pour accompagner. Les problèmes rencontrés par les exploitateurs des ressources minières ont refait aussi surface. On constate, pour le regretter, l'accès de nos bijoutiers artisanaux à l'ordre de savoir là n'a pas encore trouvé solution. Euh, les écueils ne sont en rien comparables aux risques qu'ils encourent quotidiennement. Nos budgets ont tous un pied en prison. Du fait qu'à ce jour, ils s'approvisionnent en or dans l'informel. Le jugement se trouve entre trois communes, on est en droit de convoquer le département. Le département, euh, la pertinence, parce que la pertinence de l'érection du département en collectivité se trouve justement dans ce cas précis. quel qu'en soit par ailleurs la couleur politique des élus. Se félicitant de l'intérêt accordé à son département, le ministre a répondu aux questions relatives aux contrats d'exploitation avec les sociétés, aussi sur la volonté du gouvernement d'appuyer les PME et PMI et a demandé aux députés de se référer au code minier qui prend en charge beaucoup de préoccupations qui lui ont été exposées durant le débat. Je peux comprendre que étant de Bambay, un rap député, puisse subir les pressions des populations. Mais nous, nous sommes ouverts quel que soit le problème qui est posé, à regarder avec vous. Maire, vous nous sollicitez. Ça, c'était avant le code minier. Il n'y avait pas d'obligation. que nous sollicitez accompagner C'est nous qui avons demandé à toutes ces sociétés minières de signer des conventions. On ne les rendait même pas publics. Maintenant, il est même arrivé que moi-même, que j'aille présider la signature des conventions. Le plan social minier, qui a fait l'objet de beaucoup de bruit, mais c'est plusieurs milliards que les sociétés minières ont géré directement, sans implication de l'État. Mais nous pensons que pour gérer ça, il faut changer. C'est pourquoi, dans le nouveau code minier, on a mis le fonds de développement local. Quatre tours d'horloge ont permis aux élus du peuple d'adopter à l'unanimité le budget 2017 du ministère de l'Industrie et des Mines l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé le budget alloué au ministère du Renouveau urbain, du cadre de vie et de l'habitat. Pour l'exercice 2017, il est plafonné à plus de 77 milliards de francs fait un bon spectaculaire euh, en avant qui vient conforter et assurer euh, la demande nationale en matière d'habitat à la c'est un rapport aux nouvelles stratégies qui a été présenté en plénière. Il a porté sur le vote du budget du ministère du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie. De 24 milliards en 2016, il s'envole pour se maintenir à plus de 73 milliards de francs CFA, soit une hausse de 49 milliards pour l'exercice 2017. Ce bond en avant place le département ministériel parmi les leviers incontournables de l'émergence Contenu dans le PSE. Ainsi, après soulagement à moins d'investissement, les députés ont exprimé leurs préoccupations, tout d'abord l'accès au logement, notamment dans sa partie financière. Au Sénégal, le déficit est de 322 000 logements et l'offre n'est que 5 000 logements. C'est très faible, Monsieur le ministre. Donc il va falloir mener cette synergie d'action pour amener la Caisse de dépôt et l'IPRES à accompagner sur le plan financier la SNHLM et la, et su bëri na ñoo xam ne ñu ngi à l'étranger li leen teree ñibbisi mooy ñàkk kër te ñu bëri bëgg nañu kër mais problème bi mooy bëri apport bi ñuy laaj moom lañ dul am pour ko. Sur ces interpellations, Diène Farbassa rassure. Oui, c'est vrai. Mais l'État est en train de faire des efforts. C'est pour faciliter l'accès au crédit, bien entendu, des immigrés ou bien ceux qui sont dans l'informel que le FOGALOG a été mis en place. Qu'est-ce que ça signifie le FOGALOG C'est le fonds de garantie du logement qui permet de donner une garantie à la banque pour octroyer des crédits à l'immigré ou aux candidats du secteur informel. Le cadre de vie s'est invité au débat suivi de l'assainissement à Dakar et à l'intérieur du pays. Euh, dans votre programme de ville verte, et comme vous savez aussi, Kédougou, c'est une zone minière, donc où on peut dire qu'on s'attend à beaucoup de problèmes environnementaux. Donc, euh, vraiment, nous aimerions vraiment faire de Kédougou une ville verte. Donc, nous aimerons le, soutien de vos services. La question de l'assainissement des villes de l'intérieur. Figurez-vous, nous, les communes de l'intérieur, nous souffrons de cette question. Nos avenues, nos beds, comme on les appelle, sont aujourd'hui laidies par les forces sceptiques. Moi, je rappelle que les villes de l'intérieur ont commencé à accueillir des projets. Par exemple, Gigelchor, Bakel. Nous avons lancé la fois dernière un grand projet, plus de 100 millions à Bakel. Les services de mon département sont en train de faire des missions de reconnaissance à travers tout le pays. Joal, aucune région n'est épargnée. La banlieue, Pikine, Guédiawaï. Actuellement, nous avons 10 projets en cours d'exécution, 60% à peu près la place de l'obésité à 90% qu'on va livrer au mois de décembre. Je me réitère encore. Et je dis qu'il n'y a pas de discrimination en matière de cas de vie. Toutes les régions sont concernées, tout le pays sera couvert. En ce qui concerne les inondations, les députés ont salué la gestion efficiente de la problématique. Elle se résume, entre autres au moins déployés par l'État en termes d'ouvrage, de canalisation des eaux pluviales et de logements hors bas La plénière s'est achevée en beauté avec l'adoption du budget du ministère du Renouveau urbain, du cadre de vie et de l'habitat. Il est à plus de 73 milliards de francs CFA pour 2017. Le CRD préparatoire du Gamou de Medina Bay s'est tenu en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Euh, une occasion de faire le point à quelques jours de l'événement. Selon les autorités, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du Gamou à Bay. ce CRD préparatoire du Gamou de Medina Bay a permis de faire le point à un peu plus d'une semaine de l'événement. La santé, l'électricité, l'eau et l'assainissement ou encore la sécurité tous les services concernés assurent que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du GAMU. Nous nous engageons à tout faire pour que tout soit, en tout cas, euh, tenu dans d'excellentes conditions, de sécurité d'abord, on l'a dit et redit. On fera les efforts qu'il faut pour encore sécuriser davantage les pèlerins, mais surtout c'est une ville qui connaîtra beaucoup, beaucoup de, de, de, manifestations, mais qui va voir presque son nombre doublé et il y a lieu de travailler justement encore à sécuriser davantage les populations et les biens. Au niveau des transports, il faudra, monsieur le gouverneur, être le plus vigilant possible en relation avec les forces de défense et de sécurité. Des dispositifs sont pris pour l'amélioration de l'éclairage public, parce que c'est une source de sécurité j'ai l'habitude de le dire. Et actuellement, les équipes sont sur le terrain pour l'entretien du réseau électrique. D'autres équipes sont sur le terrain pour le désensablement des avenues et des grandes artères et de toute la ville. Le maire de la commune de Kaulak n'a pas manqué d'exposer deux doléances majeures. Cette voie de contournement et nous avons bon espoir que cette requête va être satisfaite et en même temps que le débarcadère, parce qu'il y a aussi des, familles qui viennent par la mer ou le bras de mer. Et là, ils ont besoin aussi euh, lieu, d'un lieu où ils vont pouvoir débarquer. Le comité d'organisation des manifestations et activités de la FAIDA, COMAF, a saisi l'occasion pour magnifier les réalisations importantes initiées par l'État pour la modernisation de la cité religieuse. Nous sommes très contents du travail qui est en train de se faire. Depuis que le président Macky Sall est à la tête du pays, il a fait d'importantes réalisations à Medina Bay. Il a construit des routes en un délai très court et c'était un véritable problème à Medina Bay. Pour cette édition 2016 du Gamou de Medina autorités et organisateurs comptent mettre les bouchées doubles pour une bonne prise en charge des pèlerins. Nabadi, la plus grande commune de la région de Matam, va bénéficier des réalisations du programme d'urgence de développement communautaire. Pour identifier les besoins prioritaires, les experts du PUDC ont rencontré les populations pabonadiawa. Scène de vie ordinaire dans ce village du Fouta où la nature n'est pas très tendre avec l'homme. Nous sommes dans la commune de Nabadi qui polarise une cinquantaine de villages pour pas moins de 73 000 habitants. Siliworo, Odordé, Pambi ou encore Tubalel, des villages qui depuis l'indépendance réclament de meilleures conditions d'existence. Il s'agit principalement de désenclavement, d'électrification et d'accès à l'eau potable. Pour mettre fin à leurs soucis, le programme d'urgence de développement communautaire est venu leur tendre une oreille attentive et apporter des solutions urgentes à leurs problèmes. Vraiment, nous, nous sommes ni nous sommes bu parce que nous tax mu wàkku fii boo doon portable da ngay da ngay da ngay da ngay bërile ay portable yi nga un luy a vingt portable nga ko Taïba wala nga wala nga yóbbu ba plus de 3 kilomètres Nambadji plus de 6 km, Sinthiou plus de 6 km. am na portable yu yàqu foofu am na portable yi nga xam ne duñu leen di sàcc mais loolu yëpp tey Cheikh Lumière dana ko saafara incha allahu taala. À Boinadji, par exemple, le réseau du forage, vieux d'une trentaine d'années, sera renouvelé sur 15 km avec l'adduction du village de Tchoubalel qui compte 1200 habitants. Nous remercions Monsieur le Président de la République, d'avoir eu cette initiative qu'est le PIDC. Et nous, à notre niveau, nous allons demander à Monsieur le Président de la République d'augmenter euh, le budget du PIDC. Parce que véritablement, aujourd'hui, le PIDC, c'est le bras séculier qui permet au Président de la République de pouvoir mettre en œuvre sa vision dans le cadre de la politique euh, en zone rurale pour parvenir à... Euh, à un Sénégal émergent en l'an 2035. Autre réalisation en perspective dans cette zone, un total linéaire de 14 km de pistes. Et pour alléger la pénibilité des travaux des femmes, 20 équipements de post-récolte seront mis à la disposition de la commune. Aujourd'hui, le PIDC a recréé l'espoir. Pour le volet électrification, huit villages de la commune seront connectés au réseau. Partout, les prières des notables et des religieux pour la réussite des projets. Une lueur d'espoir dans cette très lointaine où les populations ont manifesté leur grande satisfaction. les conditions sont réunies pour aller vers une campagne de commercialisation euh, réussie, propos de Dia. Le président du comité national de suivi de la campagne fait le point ce soir avec Ousmane Garifay. Dans votre magazine hebdomadaire pour lui, les producteurs ont fait l'objet d'une grande attention de la part de l'État. À être certainement l'une des meilleures campagnes, parce que toutes les dispositions permettant de réaliser une bonne campagne ont été prises par l'État. D'abord, au niveau de la sensibilisation, où les huiliers sont sensibilisés pour qu'on ne connaisse pas de difficultés. Les banquiers ont été sensibilisés pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau des opérateurs et des huiliers l'État a pris l'engagement. lu aussi les banques, non Ah oui, parce que aussi si les banques ne sont pas sensibilisées, mm. avec certainement les dettes contractées par certains opérateurs pendant la campagne agricole, ça pose problème. Mais ils se sont engagés pour dire qu'ils vont faire les premiers décaissements permettant de bien démarrer. Et dès qu'on démarre, je crois que euh, certainement, on va arriver vraiment à, l'heure. Et je crois donc qu'il y a lieu à féliciter l'État. Parce que quoi qu'on dise, il faut qu'on tienne compte de la place que l'arachide occupe dans l'agriculture au Sénégal. Dans le plan Sénégal émergent, le président de la République a considéré l'agriculture comme priorité. Mais ce que l'or vaut dans le monde arabe, ce que le pétrole vaut à l'Arabie saoudite, ce que le pétrole vaut en Côte d'Ivoire, c'est ce que vaut l'arachide au Sénégal. C'est notre pétrole. à redynamiser absolument. à protéger. Et je crois que ce que l'État vient de faire, nous permettra de reconstituer notre capital financier Parce que pour cette année, si on met 55 000 tonnes décrémées et 20 tonnes euh, de, certifiés et 20 000 tonnes décrémées, ça veut dire qu'au bout de deux ans, trois ans, le Sénégal ne connaîtra, plus décrémé, et ça va sortir de notre, votre le point sur la campagne de commercialisation de l'arachide qui s'ouvre demain, 1er décembre, assure après ce journal. Corruption, fraude, renforcement de capacité pour euh, les enquêteurs de l'OFNAC. Pendant deux jours, ils seront à l'école de la lecture et de l'analyse euh, de la cohérence des états financiers et documents comptables. Les travaux ont démarré ce matin avec 18 participants, dont ceux de l'ARMP et de euh, la CENTIF, Tiernorme de Sire. Riposte efficace contre corruption et fraude, l'OFNAC opte pour une démarche prudente pour ce faire, il faut outiller les enquêteurs et c'est ce que l'Union européenne approuve ici, avec un appui conséquent. 264 millions CFA, signés septembre 2015 pour une durée de 18 mois. Pour cet appui, l'Union européenne souhaite contribuer à promouvoir l'intégrité de la propriété dans la gestion des affaires publiques et privées. 18 enquêteurs de l'OFNAC, 2 de la CENTIF et 2 de l'ARMP pendant 48 heures, ils verront comment lire et analyser la cohérence des états financiers et documents comptables qui leur seront présentés. Une parfaite maîtrise des textes, principes et normes comptables demeure la base de nos activités de contrôle, d'audit et de vérification. D'où l'enjeu d'une bonne maîtrise de ces fondamentaux. Vous comprendrez donc l'importance que j'accorde à cette formation pour vous doter des outils nécessaires à un plein exercice de votre mission. Ces acquis vous offriront à l'issue des deux jours de travaux l'opportunité de mieux cerner le phénomène de la corruption et la fraude dans ses dimensions comptables et financières. À la fin de cette formation, les enquêteurs seront mieux outillés, l'opérationnalité de l'OFNAC renforcée, en même temps que ces deux structures sœurs, ARMP et Centif. Après deux jours de pré-conférence, les premières journées du sida au Sénégal ont, démarré. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Colseg, a présidé la cérémonie d'ouverture hier. La manifestation a été l'occasion pour l'ensemble des acteurs de faire un bilan de 30 ans de riposte au VIH-Sida. Dame Silla. Experts, chercheurs et autorités étatiques se sont tous réunis lors de la cérémonie d'ouverture officielle des premières journées scientifiques du sida au Sénégal pour réfléchir et échanger sur les nouvelles stratégies adoptées pour une lutte efficace et harmonieuse contre le VIH. Les 30 années de riposte ont permis déjà au Sénégal d'obtenir de bons résultats, mais l'objectif final est d'arriver à l'élimination de la pandémie d'ici à 2030. Continuez à vous questionner, à concevoir et créer. C'est par vos recherches, sans cesse renouvelées, que nous finirons par vaincre cette pandémie. Et c'est pour cette raison que nous tenions particulièrement à vous rassembler à Dakar, pour vous permettre de mieux échanger et surtout de partager avec les plus jeunes, ceux des régions, pour mieux communiquer entre vous, discuter et comparer vos travaux, vous soutenir mutuellement. Les premières journées scientifiques du sida au Sénégal a réuni 400 experts et chercheurs venus des 14 régions du Sénégal. Les partenaires internationaux ont aussi répondu présents pour accompagner le Sénégal dans ses objectifs. La recherche doit accompagner en permanence euh, les, aspects médicaux. Et inversement, la recherche ne doit pas être une recherche pour faire de la recherche, mais elle doit être également pour donner des résultats accessibles, pour changer les prises en charge des patients, éclairer les décideurs politiques pour prendre des décisions de, de santé publique. Aujourd'hui, l'espérance des PVIH a sensiblement augmenté grâce à des efforts appréciables des différents acteurs qui ont favorisé de grandes percées. Nous sommes conscients cependant que beaucoup reste à faire si nous voulons à jamais consigner le VIH au livre de l'histoire. 30 ans après la découverte du sida, la réponse nationale continue toujours. Dans cette cérémonie officielle, le comité d'organisation a jugé utile de décorer ceux qui ont marqué toutes ces années de lutte il est urgent d'assurer le dépistage d'un maximum de personnes vivant avec le VIH, de les mettre tout de suite sous traitement pour rompre définitivement la transmission du virus. Mettre fin à l'épidémie du sida est un programme ambitieux, mais il reste à notre portée. Et c'est grâce à l'innovation, à l'apport de la recherche, que nos outils préventifs et thérapeutiques ont des chances de venir à bout de ce fléau. Avant de présider la cérémonie officielle, le professeur Awa Marie Kolsek, ministre de la Santé et de l'Action sociale, a visité les expositions sur le sida. Une activité qui a aussi pour ambition de sensibiliser et d'informer les populations sur le VIH. Antioxydants riches en nutriments préventifs euh, contre les maladies cardiovasculaires ou le cancer euh, de la prostate notamment, que l'ouverture autour ou au sein d'un seul fruit. La pastèque en glace sorbet ou en salade, ce fruit de saison riche en fibres facilite également la digestion. On peut donc s'en gaver sans effet secondaire et se désaltérer. À vos tranches de melon d'eau ou hal en wolof, c'est avec Moubaldé dans la rubrique santé. Le gros fruit vedette en cette période, c'est bien la pastèque. Ils sont nombreux les Sénégalais à en être friands et ont bien raison, puisqu'une seule portion de ce fruit appelé aussi melon d'eau procure une multitude de bienfaits. C'est très hydratant, c'est désaltérant, surtout quand il fait chaud. Euh, et, ça, c'est très important. Et à chaque fois qu'on mange de la pastèque, c'est ce qu'on ressent le plus. Que on, boit beaucoup d'eau en même temps, donc ça, c'est un avantage. La deuxième chose, c'est que la pastèque est très riche en antioxydants. Donc ça nous aide à lutter contre des maladies comme le cancer, euh, les maladies cardiovasculaires. Donc il y a beaucoup de vitamine C dans la, pastèque. Il y a euh, des, disons, des précurseurs de la vitamine A comme le lycopène. Et tout ça, ce sont les antioxydants qui, comme je l'ai dit, nous aide à lutter contre certaines maladies, et notamment d'ailleurs la maladie de le, le cancer de la, de la, prostate. Donc ça, c'est important. La troisième chose, c'est que, comme tous les fruits, la pastèque est riche en fibres. Et les fibres alimentaires, c'est tout ce qui nous permet de réguler le transit, c'est-à-dire de, de, de, de faciliter la digestion. Elle est donc à déguster à tout moment de la journée. On peut même se permettre de varier les plaisirs avec ce savoureux fruit alors, il n'y a pas de meilleure manière. Je dirais qu'il faut diversifier la présentation. Parce que là, on va, ces deux saisons, on va en avoir beaucoup pendant un bon moment. Il faut un petit peu diversifier pour, que, pour ne pas se lasser de ce fruit. Alors, ça peut être effectivement préparé en salade de fruits, ou alors en glace, en sorbet, qu'on fait très, prépare très facilement euh, à la maison. On n'a pas besoin de les acheter euh, dans le commerce. on peut préparer des, des, glaces ou des sorbets de, pastèques. On peut évidemment en faire des, on dit, des smoothies c'est-à-dire mélanger le, mixer la pastèque avec un yaourt ou un lait caillé euh, et en faire en fait un laitage fruité. Euh, il y a différentes manières vraiment de, préparer. Comme je disais, ça peut se préparer également en salade et, comme ça avoir une salade sucrée-salée et qui est très rafraîchissante. Euh. L'autre bénéfice qu'on peut tirer de ce fruit local, c'est qu'il est presque toujours cueilli à maturité. Et en plus, c'est un fruit de saison il faut profiter de la variété saisonnière parce qu'un fruit de saison est bien meilleur au goût, puisque c'est un fruit qui a été cueilli euh, à maturité alors que les fruits importés sont des fruits qui ont été cueillis avant la maturité, qui ont été traités, qui, sont, euh, qui ont bien un goût qui est, moins bon qu'un fruit, euh, fruit local, et euh, qui contient, les fruits locaux contiennent également un petit peu plus de nutriments même que les fruits importés. Donc profitons de nos fruits locaux pour non seulement soutenir notre économie, mais pour mieux manger. Reste plus qu'à en profiter en entrée comme un dessert. Les bienfaits sont les mêmes la pastèque désaltère et nourrit. Rubrique économie, tout sur le business de la pastèque euh, avec Aram Nawa. L'agence de l'information de l'État a inauguré ce mardi la nouvelle salle euh, multimédia du CM4 Urbam. Pour euh, la DIE, cette salle devrait permettre à cet établissement de faire de meilleurs résultats. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée en présence du directeur général de l'Agence de développement de l'informatique de l'État, Tierno Diallo. Voici la toute nouvelle salle multimédia du CM4 Urbam. Équipée en ordinateur et en connexion gratuite, elle est offerte par l'Agence de l'informatique de l'État. Une façon pour l'ADIE de permettre aux élèves et enseignants de travailler dans de bonnes conditions. C'est très important pour euh, l'ADIE, très important pour le gouvernement aujourd'hui de renforcer donc euh, euh, les TIC dans l'éducation. Et c'est cela aujourd'hui la mission de la solidarité numérique qui se situe au niveau de l'ADIE et qui aujourd'hui a un plan ambitieux de pouvoir aujourd'hui permettre quand même à toutes nos écoles de pouvoir au moins de se, doter d'une salle multimédia et surtout dans les zones assez enclavées. Cette salle multimédia est la 50e inaugurée en 2016 par l'Agence de l'informatique de l'État. La DIE compte d'ailleurs poursuivre le projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la DIE a installé presque 180 salles donc, euh, multimédia à travers le pays. Et c'est une occasion ce matin de pouvoir non seulement faire cette formation pour ces enseignants, mais surtout aussi d'inaugurer la nouvelle salle ici dans le CEM SCAT Urbain, euh, qui a été donc parmi les écoles qui ont été désignées pour accueillir euh, ces 50 salles multimédia durant l'année 2016. L'invite que je lance aux apprenants, c'est euh, le suivi, un suivi régulier et un maintien de la salle parce que quand même, il faut comprendre que euh, il y a des outils très valeureux à l'intérieur et nous nous félicitons très bien de cet équipement. en ce qui concerne la portée maintenant de la salle, c'est-à-dire que c'est un complément des enseignements apprentissages. Donc c'est un outil extrêmement important sur lequel on se fonde parce qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas parler d'enseignement-apprentissage d'une du nom si on n'a pas d'outils informatiques cette salle informatique devrait servir. Dans un contexte de crise et de menace terroriste, ils sont invités à bien cadrer leur discours. La Maison de la Presse et la Fondation Friedrich Ebert ont initié un panel pour faire le tour de la question à Ramatadem. Les prêcheurs ont une place importante dans les 98 radios communautaires enregistrées. Ils diffusent au quotidien des messages en langue nationale, surtout pour mieux atteindre leurs cibles. Et pour cela, leur base est la religion. Le contexte actuel des attaques terroristes en Afrique de l'Ouest pousse aujourd'hui les acteurs concernés à discuter avec ces prêcheurs pour recadrer les discours et messages. C'est un c'est un panel extrêmement important, d'autant plus que l'Irak avait demandé en son temps à la Maison de la Presse de réfléchir comment nous allons euh, pouvoir faire un séminaire